Sur invitation de l'Institut de recherche en sciences humaines, le professeur en géographie Christian Bouquet, qui a beaucoup travaillé sur l'Afrique, a animé lundi une conférence placée sous le thème Géographie politique des crises en Afrique sahélienne, les zones grises. De son côté, le Centre national d'études stratégiques et de sécurité a organisé mercredi le premier forum national de la sécurité et de la défense. Convié à y prendre part, l'opposition politique et les non-affiliés ont décliné l'offre avant d'expliquer les raisons à travers un communiqué de presse. L'Arabie saoudite s'est engagée à verser 100 millions de dollars, soit 84 millions d'euros, à la force G5 Sahel, ont annoncé lundi dernier les autorités maliennes au retour d'une mission à Riyad du ministre malien des Affaires étrangères. 48 heures après la clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017, les organisations de la société civile ont, dans une déclaration rendue publique, rejeté la loi de finances 2018 adoptée au cours de cette session. Elle projette une marche le 21 décembre prochain. Autre aspect de l'actualité ayant marqué cette semaine, le Conseil supérieur de la communication a présenté mardi le rapport de l'étude sur les audiences des télévisions et des radios au Niamey. À l'issue du profilage des auditeurs et téléspectateurs, cinq top radios et des télévisions qui ont le plus d'audience ont été présentées. Le syndicat autonome des magistrats du Niger a entamé mercredi une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national, exigeant du gouvernement des meilleures conditions de vie et de travail. À l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre Brigitte Raffini, le Saman a suspendu la grève de le jeudi. Enfin, après sa clôture officielle le dimanche 3 décembre dernier, le Salon international de l'artisanat pour la femme femme a été prorogée de 4 jours pour permettre aux exposants d'écouler leurs articles. Des exposants qui, tout au long du femme, ont déploré la rareté des clients. Voilà l'essentiel de la rétrospective de la semaine du studio Kalangou. Excellent début de semaine en compagnie de nos programmes.